Le camp de la gendarmerie de la ville d'Ayoru, région de Tilaberi, situé à 200 km au nord-ouest de Niamey, a fait samedi 21 octobre 2017 l'objet d'une attaque terroriste par une vingtaine d'hommes armés non identifiés. Le bilan officiel fait état de 13 morts et 5 blessés du côté des forces de défense et de sécurité. Par décret numéro 2017-824 du 23 octobre 2017, le président de la République a nommé les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois. La communauté humanitaire a organisé mardi un atelier national de planification humanitaire avec un plan de réponse régional pour les réfugiés nigérians. Une réunion de haut niveau mardi à Niamey, la quatrième du JAR, qui a enregistré la participation de cinq chefs d'État avec comme ordre du jour l'accélération du processus de la mise en œuvre de la monnaie unique de la CDAO. De son côté, le comité exécutif de l'Union l'Union des étudiants nigériens à l'Université Abdou de Niamey s'est prononcée mardi sur la situation sociale et académique de ses militants, mais aussi sur la situation du pays. Sur tout un autre plan, le ministre des Finances a présenté mercredi aux députés le projet de loi de finances 2018 arrêté à un peu plus d'un milliard 900 millions de francs CFA. 26 morts et 27 blessés, dont 8 graves. sur le bilan d'un grave accident de la circulation routière survenu vendredi sur la Nationale 1 à la sortie de Dosso sur l'axe de Dogondouki. Enfin, le directeur de l'école El Haji Mainari de la commune rurale de Gueskerou, région de Difa, Bilal Mamadou, a été égorgé hier samedi par les éléments de Boko Haram. Voilà l'essentiel de la rétrospective de la semaine du studio Kalangou. Passez d'excellents moments et bon début de semaine en compagnie de nos radios partenaires.